forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio passé de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui a lieu tous les soirs, tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec euh, des confrères journalistes pour décortiquer l'actualité. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est grâce à notre réseau de radio partenaires, 31 au total, diffusant chacune en direct les programmes du studio Kalangou dans sa zone d'implantation. Les points saillants du Forum de la presse de ce soir, volet éducation, il y a d'abord la scolarisation de la jeune fille qui est au centre d'une série de tables rondes initiées ces jours-ci par le ministère en charge de l'enseignement primaire dans 36 départements du Niger. Ensuite, les résultats du brevet des techniciens supérieurs, BTS d'État, le taux global de réussite pour l'ensemble du pays est de 42%. Enfin, la reprise des activités académiques pour les universités du Niger, prévue pour le lundi 4 septembre dernier, a été marquée par des mouvements de boycott ici à Niamey et Zender, Difa et Tilaberi. Aussi, nous ferons le point des inondations à Zender avec l'un de nos correspondants. Nous parlerons aussi de cette alerte donnée par l'autorité du bassin du Niger, ABN, relativement à la montée du niveau du fleuve du Niger. En sport, il sera question de la deuxième édition de la compétition de lutte traditionnelle dénommée Kokowa Mosiyahi Labewa, initiée par l'Association nigérienne des anciens lutteurs du Niger et ce pour trois jours à partir du dimanche dernier. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie, en compagnie de nos confrères Garé Amadou du quotidien La Nation. Bonsoir Garé. Bonsoir. Murtala Mahamadou du satirique La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir Et nous attendons un troisième invité, Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. À la présentation de cette émission, à Alassane Kouzi Mahamadou. Merci de rester fidèle au programme d'Istudio Studio Kalangou. Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 8 septembre 2017. Nous débutons ce forum par le chapitre éducation. Tout d'abord, la scolarisation de la jeune fille, je le disais, qui est au centre d'une série de tables rondes initiées ces jours-ci. Une initiative du ministère en charge de l'enseignement primaire qui concerne 36 départements du Niger dont les taux de scolarisation des jeunes filles restent faibles, moins de 45%. Entre autres départements figurent Filengue, Douti et Dakoro. Au niveau de chaque localité, ces tables rondes réunissent les parents d'élèves, les enseignants, les leaders religieux et coutumiers. Ces derniers sont appelés à prendre des engagements en faveur de la scolarisation de la jeune fille afin d'améliorer le taux de scolarisation dans leurs localités respectives. Je m'en vais commencer avec euh, vous, Garé Amadou, du euh, journal La Nation. Comment vous analysez cette initiative du ministère euh, et les chances qu'elle a d'atteindre l'objectif escompté Je pense que c'est une bonne initiative parce que d'abord euh, euh, la cible, enfin les personnes qui sont concernées par ces campagnes de sensibilisation, les chefs religieux, les chefs coutumiers, etc., etc., ce sont des personnalités qui sont directement en contact avec les populations. Je pense que le thème de la scolarisation de la jeune fille, c'est une très grande question, c'est un très grand sujet. Parce que euh, vous n'êtes pas seul de savoir que euh, la scolarisation de la jeune fille participe au développement. Je crois qu'il y a eu une étude de, de, la Banque mondiale qui a été publiée le 24 août dernier qui parlait, euh, c'est vrai, du mariage précoce qui disait que quand on scolarise les jeunes filles, plus on les scolarise, plus on fait en sorte qu'elles se maintiennent dans le circuit scolaire, plus ça permet d'éviter le mariage précoce et ça apporte une plus-value au développement. Donc je pense que les, autorités en charge du secteur de l'éducation qui ont décidé de cette campagne de euh, sensibilisation ont bien fait les régions qui sont un peu en, retard par rapport à ce sujet-là doivent fournir des efforts et c'est peut-être pour ça qu'ils ont ciblé les personnalités qui sont le plus en contact avec les populations pour mettre en œuvre cette euh, dynamique-là. Notamment les leaders religieux et les chefs coutumiers. Donc nous disons bonne arrivée à notre troisième invité, Arimi Abakiari euh, de la radio euh, alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir, bonsoir chers auditeurs du studio Kalango. Et euh, Murtala, euh, donc à votre avis, quelle autre méthode pourrait aider à rehausser les taux de scolarisation des jeunes filles dans les 36 départements en question Bien, euh, au-delà de la sensibilisation qui est d'ailleurs un, axe très important pour la scolarisation de façon générale et celle des jeunes filles en particulier, euh, il serait important que, euh, que peut-être au niveau des décideurs politiques qu'on mette un peu plus l'accent sur le, la lutte contre la pauvreté. L'extrême pauvreté en soi est un facteur qui pousse beaucoup de parents en zone rurale à opter plutôt pour le travail productif de leurs enfants plutôt que l'apprentissage au niveau des écoles. Et donc, euh, au-delà de la sensibilisation, euh, créer les conditions pour que les parents ne se Soit pas dans une situation où ils dépendraient de leurs enfants qui sont quand même très jeunes pour euh, subvenir à leurs besoins ou bien pour accroître leur production. Euh, cela euh, pourrait aider à faire en sorte que les enfants aillent à l'école et qu'ils continuent à aller à l'école pendant un bon bout de temps parce que le véritable problème c'est l'abandon au niveau du système scolaire chez nous. Alors, Arimi Abokiari, donc, euh, nous étions sur le sujet, euh, notamment euh, cette série de tables rondes qui sont organisées dans 36 départements du Niger, des départements où le taux de scolarisation de la jeune fille est très faible. Euh, des rencontres avec les leaders religieux, les leaders coutumiers, les, chefs coutumiers, les enseignants, en tout cas tous les acteurs concernés par la question pour que euh, ces derniers puissent prendre des engagements en faveur de, la scolarisation de la jeune fille. Comment est-ce que vous, vous trouvez cette initiative euh, qui a été donc à la tête de laquelle se trouve le ministère en charge de l'enseignement primaire Merci. C'est une bonne, c'est des leaders d'opinion, comme on les appelle. C'est une bonne euh, façon de s'y prendre, de vouloir les sensibiliser. Euh, mais mon problème, euh, c'est avec l'école elle-même, parce que avant-hier seulement, je lisais encore un de mes amis sur Internet qui disait que euh, il est venu en Niamey, il a aperçu des 4x4 euh, scolarisation de la jeune fille. Il dit, mais ces 4x4 là, c'est pour quoi faire Et euh, il dit que mais c'est pour sensibiliser, c'est pour aller vraiment se rendre compte de la situation de la jeune fille. Et lui, il dit, mais lui, l'école de son village est créée, ça fait 31 ans. Et il n'y a aucune fille qui a jusque-là eu le bac euh, ils trouvent que euh, ces voitures-là ne sont pas si utiles que ça. Euh, parce qu'elles ne font pas le travail, puisque sinon, en 31 ans, il y aurait eu au moins une fille qui aurait le bac. Donc, c'est aussi notre système éducatif lui-même qui a un problème. Et ça, c'est malheureux. Par contre, il ne faut pas, bien sûr, abandonner la question de la scolarisation de la jeune fille. Les avantages de la scolarisation de la jeune fille ne sont plus à démontrer et j'espère euh, que euh, on va opter plus pour un changement euh, de comportement social. Moi, je pense que c'est bien de sensibiliser les leaders, c'est bien de sensibiliser les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, mais on doit tendre en cette matière-là et sur bien d'autres questions sur le changement du comportement social, la communication pour le changement de comportement social. voilà, Tout à l'heure, vous indexez un peu le système éducatif. Est-ce que vous pensez qu'en soi, le système éducatif comporte des blocages peut-être pour la de la jeune fille Comme on l'appelle, c'est l'école du blanc. Euh, nos parents ne l'ont pas accepté jusqu'à ce qui est la colonisation moi-même des personnes de ma génération euh, dans les villages, quand il y a recrutement, euh, les gens rentraient dans les greniers, par traverser pour le Nigeria ou vraiment cacher leurs enfants, ils ne les enregistraient jamais. Euh, je me rappelle encore de, de cette période-là. et aujourd'hui, euh, c'est notre école, c'est notre école nationale, mais la mentalité n'a pas trop changé. Les gens euh, ne veulent pas d'abord. Beaucoup de personnes, jusque-là, moi j'ai vu dans la région de, Zender, à la frontière avec le Nigeria, un village qui est divisé en deux. Celui qui envoie son enfant n'est pas du quartier du, du marabout du village. Donc, c'est d'abord le système éducatif qui n'est pas parvenu jusque-là à se faire accepter. Ton enfant qui va à l'école et ton enfant qui ne va pas à l'école, même votre façon de communiquer n'est pas euh, la même. Donc, nous, on a un, un, problème avec le système. Nous qui avons été à l'école, nous qui envoyons nos enfants à l'école, on sait que l'école aujourd'hui est incontournable et si on veut développer un pays, on doit passer par là. Mais il faut convaincre l'essentiel, l'extrême majorité des Nigériens que c'est comme ça que ça doit se faire et que la place de la fille n'est pas chez, un mari, mais à l'école. Donc c'est le système qui ne parvient pas À convaincre. Euh, Restons toujours dans ce chapitre éducation pour signaler la publication cette semaine par l'Office national des examens et concours ONEX des résultats globaux du brevet de technicien supérieur BTS d'État. Le taux global de réussite pour l'ensemble du pays cette année est de 42% contre 30,39% l'année dernière. Euh, il y avait au total cette année 4897 candidats qui se sont présentés. Donc il y avait 2064 admis, c'est ce qui fait les 42%. Euh, Gary Amadou du journal La Nation, comment appréciez-vous cette performance, si performance il y a oui, euh, c'est clair que c'est indéniable parce que vous-même, vous avez parlé de, de remontée par rapport au chiffre de l'année dernière. Vous avez parlé de 30% et là, on est à environ 42%. C'est très bien. Ça veut dire qu'il euh, y a de l'amélioration quand même dans, le, dans la capacité de rétention euh, euh, euh, des cours qui sont dispensés au niveau de ces écoles-là. Et ça prouve qu'il y, a une progression qui est en train de se, faire. Je pense que ces écoles-là qui sont en train d'enseigner les, différents, les différentes matières sont à féliciter. C'est-à-dire qu'il faut que cette dynamique-là puisse se poursuivre. C'est-à-dire que l'année prochaine, lors des, prochains examens, il faut que le chiffre puisse atteindre les 50%. C'est ça qui prouve qu'il y a une dynamique d'ascension qui est en train de se faire. Je pense que euh, euh, vraiment, il faut saluer les écoles qui sont en train pratiquement d'améliorer n'est-ce pas, la qualité de l'enseignement dispensé et les élèves qui sont en train de mieux apprendre ce qu'on leur apprend, qui sont en train de mieux emmagasiner ce qu'on leur apprend et de le restituer lors des examens. Mortala Mamadou du satirique, euh, la griffe, qu'est-ce qui, selon vous, a pu contribuer peut-être à l'amélioration de cet indicateur euh, vous savez, euh, je, méfie toujours des, taux de réussite lors des examens nationaux parce que ça, ne reflète pas tant l'amélioration l'amélioration du niveau des, des, candidats malheureusement. Qu'à cela ne tienne, je trouve euh, intéressant que les, le nombre d'admis, le pourcentage euh, euh, puisse être rehaussé. Mais de là, penser que il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait, non. Mais toujours est-il, c'est important. Il y a une avancée, certes, mais il y a un véritable travail de fond sur lequel peut-être on est en train de, euh, euh, qu'on est en train d'éviter, qui est celui de, de, l'amélioration de la qualité de l'éducation de façon générale. et euh, c'est aussi au-delà de cette amélioration, de, la qualité, la capacité d'absorption du marché de l'emploi qui est assez rudimentaire, ce qui contribue quelque part à dégrader la perception de, de, l'école, du système éducatif au niveau des populations et qui euh, peut avoir un impact euh, négatif sur euh, la, scolarisation également. Euh, Arimi Abba de la radio alternative, un mot peut-être sur, sur ces résultats Bon, écoutez, 40% c'est toujours oui 40% c'est toujours mieux que 30% ça c'est évident mais euh, on ce n'est même pas la moyenne. On est à l'école là. Quand tu as 40%, euh, euh, tu es encore vraiment en deçà de la moyenne. Même, donc tu n'es même pas passable. Ça, c'est de un, parce que c'est ces écoles coûtent excessivement cher. Je ne sais pas si vous le savez. Euh, pour faire euh, passer le BTS, c'est quoi 600 000, c'est 750 000, c'est 500 000. Parfois, des parents qui euh, risquent euh, donc 60% qui ont pratiquement jeté euh, tout cet argent-là parce que à 90% aussi ces enfants sont des enfants qui sont dans le privé donc jetés par la fenêtre. Euh, il faut améliorer il faut nécessairement améliorer, mais ça fait partie intégrante avec quelque chose d'ailleurs de nouveau euh, du système éducatif euh, nigérien euh, qui a aussi ses problèmes déjà, donc qu'il va falloir régler avant de passer à ça. Je dirais quand même un mot sur la question de l'emploi de ces jeunes-là que Murtala vient d'évoquer. Ça, c'est le plus crucial. Euh, jusqu'à récemment, on dit non, l'enseignement général, non, l'université, les enfants, on leur apprend rien, ils ne savent rien faire. <laughs> Maintenant, les parents mettent leur argent pour que les enfants sachent faire quelque chose, bon, créer encore les conditions de les employer, c'est tout un autre problème. Sinon, ils seront dans l'éducation. Après, on va dire non, ils n'ont pas été formés pour éduquer. Voilà le problème qui se pose. C'est à imaginer le système de des écoles professionnelles et de l'emploi de ceux qui sortent de ces écoles-là. Bien. Euh, pour clore ce, ce, chapitre éducation, parlons à présent de la reprise des activités académiques pour les universités du Niger. Prévu pour le lundi 4 septembre dernier, la dite a été marquée par des mouvements de boycott ici à Niamey, Zender, Difa et Tilaberi. Tous réclament le respect des engagements pris par les autorités académiques pour garantir de meilleures conditions de vie et d'études. Pour ce qui est de l'université Abdou de Niamey, je vous propose de suivre le secrétaire général de l'UNO, Nocita Djabiri. Nous n'êtes pas sans savoir que nous avions deux arrivées de bourse, ni le restaurants n'est encore ouvert, encore moins les bus ne sont opérationnels. Deuxièmement, il y a les réclamations de l'aide sociale. Depuis belle Direct, nous avions entrepris des négociations avec le ministère des Enseignements supérieurs et de l'Innovation. Les engagements ont été pris, mais nous tardons à avoir du concret par rapport à la question de la finalisation de l'amphithéâtre 1000 places de la face, par rapport à des laboratoires qui sont en cours d'exécution, par rapport à des salles de cours, par rapport à la clôture du mur de l'IAM, par rapport à la construction des hangars servant de Sita secrétaire général de l'INU. Euh, Mahmoudou, une réaction ou un commentaire par rapport aux revendications des étudiants Oh oui, les étudiants ont toujours revendiqué et je crois que c'était déjà prévisible euh, vu quand même les, conditions dans lesquelles euh, l'année s'était terminée, dans lesquelles la condition dans lesquelles on était allé dans les vacances, c'était un climat assez tendu. Euh, maintenant, force est de constater qu'à la reprise, beaucoup de, ces, revendications n'avaient pas trouvé de satisfaction, beaucoup d'autres engagements qui avaient été pris n'ont pas pu être honorés. Donc, on a commencé l'année, la nouvelle rentrée avec euh, des mouvements d'humeur par-ci par-là et, ce qui est ce qui est à saluer peut-être c'est le, positionnement qui a été adopté par l'université surtout à l'université de Niamey et où ils ont ils se sont peut-être rendus compte que le fait de d'observer des, grèves répétitives n'était pas n'allait pas dans le sens de, euh, de, euh, de, de, de, satisfaire à une de leurs exigences principales qui est celle de, de la normalisation de l'année académique qui quand même depuis plusieurs années au niveau de l'université de Niamey particulièrement euh, est devenue ce qu'elle est devenue. Une année qui est censée durer 9 mois, qui peut durer jusqu'à 16 mois, c'est quand même extraordinaire. Donc euh, euh, oui, il y a de ce fait cette revendication des étudiants, mais surtout ce qui risque de, constituer beaucoup de problèmes cette année, ce serait les, revendications des, enseignants-chercheurs qui, qui quand même ne sont pas restés muets. Et je crois que dans les prochains jours, c'est plutôt à leur euh, une perturbation de leur part qu'il faudrait s'attendre. Garé Amadou, c'est votre point de vue euh, l'année oui, je euh, pense, que, je pense quand même que les étudiants ont, raison de, de, manifester leur mécontentement. Parce que en réalité, ce boycott de, la rentrée académique, c'est une alerte qu'ils lancent à l'endroit des autorités. C'est une alerte qu'ils lancent. Ils prennent la, communauté nationale à témoin pour dire que, attention, la rentrée est déclarée, mais et, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a beaucoup de nos revendications qui ne sont pas satisfaites. Ils ont parlé de trois mois d'arrêt de bourse, je crois, mais juillet, août et les bourses de vacances, etc., etc. Ils ont parlé d'autres trucs, les infrastructures qu'on doit construire, qui sont en construction et qui ne sont pas achevées, qu'on doit achever. Ils ont parlé d'autres problèmes. Je pense que c'est très bien qu'ils grèvent parce que nous avons été à l'université, nous avons grévé aussi pour revendiquer nos droits. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le système de l'université qu'on va se mettre à, à, à vilipender les étudiants. Ils ont raison je dis c'est une alerte, pour que les autorités puissent prendre conscience qu'il y a des problèmes. Et aussi pour les enseignants-chercheurs, c'est pour que le gouvernement comprenne qu'il y a des problèmes, pour que l'année puisse se dérouler en, toute sérénité. Il faut que euh, les exigences euh, des, étudiants et des enseignants soient prises en compte pour permettre à ce que les choses se déroulent normalement. Vraiment, il ne faut pas que les, choses gens pensent que les étudiants aiment gréver. S'ils ont grévé dès maintenant, c'est une façon de faire, de, de, l'alerte pour qu'on puisse trouver des solutions pour que l'année puisse se dérouler normalement euh, Arimiaba Kiari, la reprise des activités académiques euh, déjà, euh, en tout cas perturbée par ces mots de boycott, qu'il faut-il craindre Oui, mais c'est ça. Les vacances, au lieu de servir euh, d'un temps de répit pour résoudre les problèmes, sont des occasions pour reporter les problèmes. Malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous. Euh, là, les étudiants viennent de poser leurs problèmes. Il faut, il faut s'y attendre que les enseignants euh, du primaire, du secondaire vont poser leurs problèmes euh, d'ici peu. Les enseignants-chercheurs vont les poser. Autrement dit, les vacances n'ont pas été mises à profit pour régler des problèmes. Et les revendications des étudiants vont, c'est au fur et à mesure, hein, là ils ont fait une grève pour euh, un peu alerter. Mais si ces problèmes ne sont pas résolus, c'est l'entrée euh, elle-même ou l'année elle-même qui risque de prendre euh, un coup. Il faut prendre vraiment très au sérieux euh, la question de l'école, la question des, étudiants. Et malheureusement, ce que je constate, même euh, l'effet d'annonce qu'il y avait les années antérieures pour ce qui est de la rentrée, moi je ne vois pas ça cette année. Je, ne vois pas l'effet d'annonce, voilà, que toutes les dispositions ont été prises, les écoles sont prêtes, les classes ont été badigeonnées, il y a eu tel nombre de, d'acquisitions en matière de cahiers, en matière de livres, les enseignants, les les affectations se sont faites, ainsi de suite. Même ça, ces, annonces-là, cette fois-ci, on ne les a pas. Par contre, on entend parler des mesures restrictives, comme quoi les enseignants n'ont pas euh, le droit d'aller faire de la vacation, machin. Écoutez, euh, moi j'ai peur pour l'année qui va commencer. Euh, ce n'est pas jouer aux, oiseaux de, à l'oiseau de mauvaise augure, mais vraiment, euh, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Ça y va de l'avenir du pays, tout simplement. Donc, de prendre au sérieux cette question de l'éducation, euh, moi, je ne vois pas d'éclairci vraiment, malheureusement. Nous allons avancer. Autre point du forum de ce soir, ce sont les inondations qui ont eu lieu un peu partout au Niger suite aux fortes pluies enregistrées. Faisons un tour à Zender ville qui a été aussi victime. Nous avons en ligne euh, un de nos correspondants, Zander Mustafa Mamansani. Bonsoir Mustafa. Oui, bonsoir, comment allez-vous euh, Quel est le dernier bilan disponible en termes de dégâts causés par les eaux de pluie là-bas, Zander D'accord, je ne sais pas avant de parler du bilan, est-ce que vous pouvez me permettre de parler de la pluie qui a été cette année en tout cas exceptionnelle. Il y a eu des forts cumuls. On parle de cinq événements pluvieux exceptionnels, c'est-à-dire qui dépassent 40 mm. Et 40 mm, c'est le seuil d'inondation, le seuil potentiel d'inondation selon une étude faite ici à Zender. À titre illustratif, nous avons la nuit du 3 au 4 août, il y a eu 68 mm. Deux jours après, 86 mm, puis il y a eu 79 mm toujours dans le même mois d'août. Donc il y a aussi un autre facteur qui est la fréquence des pluies là, qui arrive à un temps très court. Je vous cite un exemple comme euh, source source la direction régionale de l'agriculture. Euh, deux cas ici, celui de Falankou à Tanout, où il y a eu 143,5 mm en 10 jours, et Yekwa Magaria, où il y a eu 571,5 mm en 21 jours. En 21 jours, 500. 571,5 mm en 21 jours. Donc, euh, le bilan, en tout cas, dressé par le comité régional en date du 31 août, fait état de 1500 ménages touchés. Et puis, il y a eu 8 décès et 3934 euh, personnes, selon un bilan fait par le directeur euh, général de la protection civile de Niamey en date du 24 août. Donc, il y a eu ici des maisons qui sont effondrées, il y a des routes coupées, notamment au quartier Sabongari, à Kofatara, à Robanda, pour ne citer que ces quartiers-là. Et puis, à certains endroits, les pavés sont détachés, euh, comme par exemple à Gari Malam, où rien qu'avant-hier, les jeunes se sont organisés, en tout cas pour euh, euh, réhabiliter ces, ces voies-là. Il y a des cimetières qui sont en tout cas touchés aussi avec des chutes de murs et des trous au niveau des tombes. Donc, en tout cas, le bilan euh, est très euh, important ici à Zender en ce qui concerne l'inondation. Euh, il y, a eu, beaucoup de sinistrés. Donc, est-ce que ces sinistrés ont bénéficié d'aide de la part des autorités ou d'autres organismes en tout cas, je n'ai pas vu, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, certes, mais seulement j'ai voulu enquêter les conditions d'hébergement de ces sinistrés-là. Je n'ai pas trouvé de centre où les sinistrés sont logés. Néanmoins, j'ai discuté avec le chef de quartier, euh, un, quartier à Liaro où il y a eu beaucoup de dégâts. Il, m'a dit tout simplement qu'au niveau de son quartier, en tout cas, les sinistrés étaient répartis dans, entre, en tout cas, entre voisins et parents. Donc, euh, pour dire qu'il n'y a pas de classe comme d'habitude qui les accueille, etc. Bien. D'ores et déjà, est-ce que des mesures de prévention quand même ont été envisagées par les autorités pour euh, éviter euh, ce genre de désagréments En tout cas, les mesures préventives, c'est d'abord avant la, campagne hivernale, les de caniveau et autres. Mais cette année-là, c'était vraiment timide, comme si les autorités municipales euh, ou disons les autorités de la ville sous-estimaient le risque. Il n'y avait pas eu, comme d'habitude, le tirage des caniveaux, alors que les caniveaux sont jonchés d'ordures ménagères. Euh, on parle, il y a aussi le colmatage des mares qui continue, au vu aussi des autorités de la ville. Et rien n'est fait alors que les mares là sont des lieux d'épandage de ces eaux. Et malheureusement, c'est ces comportements-là qui sont en tout cas euh, en train d'être euh, posés par la population, mais que voilà, la ville reste impuissante quoi. Bien. Merci euh, beaucoup, Mustafa Mamansani, pour toutes ces précisions et restez avec nous pour le reste du forum. Nous revenons donc au studio avec euh, nos invités. Euh, Murtala Mamadou quel commentaire à propos de, ces inondations de Zender et la manière dont elles sont gérées La manière dont elles sont gérées par qui Vous voyez, au niveau officiel, d'après le témoignage, on s'est contenté de dresser un bilan exhaustif ou pas, je laisse euh, le soin à chacun d'apprécier, de, dresser un bilan et de laisser les populations euh, quand même qui ont été victimes de cette euh, catastrophe naturelle à leur propre sort, parce que il me semble que c'est selon votre correspondant qui vient de parler, il n'y a eu pas eu des dispositions qui ont été prises pour héberger ces personnes, comme c'est le cas, comme s'il est normal qu'il soit, que ce soit fait, comme ça a été fait dans d'autres localités. Là, ça n'a pas été le cas. Euh, il a rappelé aussi que euh, voilà, euh, la, ville a été, les autorités de la ville n'ont pas été aussi actives qu'elles devraient l'être, qu'elles l'ont été par le passé pour euh, éviter à ce que cela euh, arrive. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé et il y a eu quand même des familles qui ont perdu leur, euh, leur habitat et qui se retrouvent dans une situation de désolation, ce qui m'amène à reposer la question sur la gestion de nos villes dans ce pays. Pourquoi, à bon Dieu, on n'arrive pas jusque-là à, prendre des dispositions pour éviter des, des actes qui puissent nous porter gravement euh, constituer une menace pour nous, tout simplement. Garé Amadou oui, euh, J'ai été étonné du reportage du correspondant de, la radio du studio Kalangou parce que euh, au niveau du journal de la Nation, je, m'occupe de régions et j'ai un correspondant au niveau du Zender qui est Amadou Mamadou qui m'a dressé un tableau qui est différent de ce que le correspondant a dit. Il m'a dit que effectivement euh, les sinistrés ont été relogés dans les écoles, puisqu'on est en période de vacances, n'est-ce pas Ils ont été relogés dans les écoles et que la prise en charge est en train de, se, de, prendre, de prendre place en relation avec les partenaires du Niger, bien sûr, technique et financier. Donc, Tous les sinistrés ou peut-être une partie En tout cas, les sinistrés ont été relogés dans les écoles. C'est ce que mon correspondant m'a dit et je fais foi à ce que mon correspondant m'a dit. Donc, c'est pourquoi je suis étonné par ce que votre correspondant a dit. Euh, mais qu'à cela je vais répondre à la question de Murtala parce que Murtala a dit mais comment est-ce qu'on peut euh, régler une fois pour toutes ces questions Justement, c'est pour ça que le projet de gestion de risque et catastrophes et, euh, de développement urbain a été créé, le PGRCDU. C'est un projet qui est là, qui essaie de créer les conditions pour que quand la catastrophe vient, que les populations puissent euh, les supporter. C'est pour ça que vous avez vu. Voilà, la gestion. C'est-à-dire que c'est il pas euh, euh, pas un projet qui joue aux pompiers, mais il crée les conditions pour que il y ait par exemple pas d'inondation. C'est pour cela que les digues ont été, construites au niveau de Niamey, n'est-ce pas, au niveau de Goudel, des voies pavées ont été construites au niveau de l'aéroport, etc., etc. À Difa aussi, des infrastructures ont été ont été créées. Les compagnies de sapeurs-pompiers des compagnies sont en construction et la compagnie de sapeurs-pompiers de Niamey a été dotée de moyens. Donc, il y a une politique qui est là en place, qui est en train de se manifester. Et je crois qu'ils ont un projet, la construction de 40 km de caniveau de la ville de Niamey, n'est-ce pas Ça, ça va permettre vraiment de... Donc, la catastrophe, ce n'est pas quelque chose euh, euh, qu'on prévoit. Mais ce qu'on fait, on crée les conditions pour que quand ça survient, on peut effectivement gérer cette crise-là qui, qui, risque de survenir. Donc, c'est un malheur qui vient mais on essaie de gérer. Et l'État est en train de le faire avec ses partenaires. Et rappelez-vous, je le rappelle encore, rien que cette semaine, l'Organisation ouest-africaine euh, euh, de, santé a fait un don concernant la gestion des sinistrés au niveau de la ville de Niamey. Je parle de la ville de Niamey. Donc, partout dans le pays, il y a une dynamique de solidarité euh, internationale et aussi avec les efforts nationaux qui sont en train d'être entrepris pour gérer la situation. Mais c'est compliqué, bien sûr. Armiaba, c'est compliqué la gestion des catastrophes naturelles. Oui, euh, euh, Ne peut-on pas euh, les prévenir Bon, c'est extrêmement difficile de, les prévenir, surtout que ces pluies-là, ces dernières années, vous, le savez, c'est aussi en lien avec le changement climatique. Le monde entier est confronté à ce problème. L'État le plus puissant euh, depuis deux semaines, les États-Unis sont vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs sinistrés. Euh, mais euh, sincèrement, chez nous, à la différence des autres pays, moi je ne sens pas. le correspondant de Kalangou l'a dit qu'il a enquêté partout. Il n'a pas vu de sites où les sinistrés ont été relogés en euh, Niamey, je ne sais pas s'il y en a eu. J'ai entendu par contre un communiqué euh, qui demandait aux personnes qui vivent dans les zones inondables de les quitter. Mais euh, la semaine dernière seulement, je le disais dans ce même studio, que ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas si simple de demander à quelqu'un de quitter son abri pour aller où moi j'ai vu un père de famille, euh, quand il y a le ciel qui menace, il appelle sa femme et dit, si la pluie ne commence, ne restez pas dans la maison. Hmm. Parce que ça risque de s'effondrer, il le sait. Mais quelqu'un qui dit ça, il est soucieux de ce qui arrive. Mais malheureusement, il ne sait pas où aller. Donc, euh, et les écoles, justement, avec le premier sujet que nous avons traité, c'est un lien. La météo prévoit que euh, la pluie va s'étendre tout le mois de septembre et même début, octobre. La rentrée, c'est début octobre. Euh, pour les lycées, d'ailleurs, c'est euh, le 15, normalement. Je n'ai pas entendu si ça a été communiqué pour le 15 ou pas. Donc, c'est un véritable problème qu'il ne faut pas attendre la saison de pluie pour gérer les catastrophes. Ça fait 5-6 ans euh, d'IFA, déjà euh, avant même l'affaire de Boko Haram, ça avait commencé. Les gens, les gens avaient passé deux saisons sans récolter leurs euh, poivrons, on le sait. Donc, c'est avant. Et c'est en amont, on a créé tout un ministère et tout, mais quand les problèmes se posent, on se rend compte qu'on n'a réellement pas pris au sérieux et on a juste créé un poste. Parlons, cette fois-ci de, ces alertes de, l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, relativement à la montée du niveau du fleuve. Le seuil jaune a été atteint depuis le 1er septembre dernier. Il a duré 7 jours. Et puis hier 7 septembre, le seuil orange venait d'être franchi. Les analyses en amont du fleuve indiquent que ce seuil durera seulement trois jours et les populations environnantes sont invitées à la vigilance et même à évacuer ces lieux. Alors, euh, Murtala ces informations concernant le niveau euh, du fleuve du Niger sont préoccupantes, non oui, préoccupante dans la mesure où on a encore des, un nombre assez important de populations euh, qui euh, habitent euh, dans les parties inondables du fleuve, tout à côté du fleuve. Pas seulement à Niamey, et dans plusieurs autres localités quand même tout au long du fleuve, il y a des habitations qui sont construites et surtout avec des matériaux qui ne sont pas assez solides. Alors, peut-être l'inquiétude, elle est là mais est-ce euh, il y a eu, c'est vrai, le communiqué dont parlait Arimi tout à l'heure, euh, mais quand vous faites un communiqué officiel comme ça, qui passe à la radio, télévisée, que vous dites ceux qui sont dans les zones inondables quitter, euh, il faut d'abord que les populations aient d'abord, qu'ils aient conscience qu'ils sont dans une zone inondable. Vous comprenez Parce que vous allez leur dire c'est une zone inondable, mais quelqu'un qui, dans la famille, habite depuis plusieurs générations sur cet endroit, il aura du mal à vous croire parce qu'il vous dira que son grand-père était né sur cet espace, euh, vous pouvez pas aussi aujourd'hui lui faire expliquer que c'est inondable. Les autorités peuvent faire quelque chose pour Bien évidemment, euh, pas pour qu'elle croit. Il faut euh, trouver une approche qui puisse leur permettre de, savoir qu'ils courent, qu'ils encourent un danger, un danger parfois même de mort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut leur proposer Il faudrait leur dire quittez cet endroit. Nous, on vous propose d'aller vous réinstaller ailleurs, mais quittez cet endroit et puis pour aller où C'est extrêmement difficile, véritablement. Garé Amadou, oui, euh, vous savez, je ne suis pas d'accord avec euh, <laughs> mon petit frère Murtala, mais en réalité, l'alerte de la elle a un objectif bien précis. ces zones-là, inondables-là, ce sont des zones qui ont déjà été conquises une fois par l'eau. Vous savez ce qui s'est passé avec les inondations de 2012 C'est-à-dire que les populations qui ont été déplacées, à qui on a, distribué des, des sites, on a donné de l'argent, ces populations-là de dépassé l'argent, elles sont revenus pour reconstruire. Et c'est pourquoi je dénonce le laxisme des autorités municipales qui n'ont pas fait respecter ce mot d'ordre. Ils ont laissé les gens reconstruire sur les lieux. Ça, il faut le dénoncer, vous comprenez Donc, il y a un laxisme qui fait que les gens reviennent à chaque fois aux mêmes endroits pour construire en tout même ceux qui ont été euh, dédommagés ceux qui, euh, des terrains ont été proposés je vous dis à Seno, il y a un site qui avait été euh, dégagé au niveau de Seno. les gens ne sont pas partis ils ont pris l'argent et puis ils sont revenus en minutes, ils ont reconstruit et ils sont installés bon, euh, quelle sensibilisation la, meilleure, oui, la meilleure sensibilisation, c'est qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé les années précédentes. Je pense que quand vous savez que l'endroit là est dangereux, si la saison de pluie s'approche, essayez de vous mettre à, l'abri. Je suis d'accord sur une chose, c'est que l'État encore ne va pas se fatiguer. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens sont têtus, c'est pas parce qu'ils sont têtus qu'il faut les laisser à leur sort. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer à, à, à, à les sensibiliser. Maintenant, que l'alerte est, jaune est devenue orange, ça veut dire qu'il y a péril à la demeure. Ça veut dire quoi Il faut, on est à un point où il faut obliger les gens à quitter. On ne va plus laisser, on va dire, ah euh, vous devez quitter. Non, non. On vous donne un délai, vous quittez. Si vous ne quittez pas, on vient, on vous déplace, on vous amène dans un site où votre vie ne sera pas en danger, n'est-ce pas On vous crée les conditions pour que vous puissiez vivre. Mais je pense qu'on ne peut plus laisser, on ne peut plus observer jusqu'à ce que l'inondation ah, ben, euh, survienne. C'est clair. Arimi car on ne peut plus attendre jusqu'à ce que les inondations arrivent. Est-ce que c'est possible oh, euh, d'éviter le, pire euh, ben, le, problème qui se pose, hein, si l'État lui-même n'a pas prévu où amener les gens, ou n'a pas où amener les gens. C'est ça là où le problème euh, se pose. Euh, moi, je suis persuadé qu'un père de famille, euh, tu as 10, 15 personnes chez toi, on vient te dire, écoute, dans deux jours, il y aura inondation, cette maison n'existera pas. Viens observer cette situation-là quelque part, il va venir. Mais le problème qui se pose, certes, il y a eu des mauvais comportements des gens qui ont pris l'argent, qui se sont réinstallés, ça aussi, c'est une question de laxisme, malheureusement. Ce n'est pas que la faute des. C'est l'occasion qui crée le larron. on, on les a laissés faire et ils l'ont fait. Donc, aujourd'hui qu'ils sont là, ils restent et demeurent nigériens et ils ont droit à la protection. Donc, il ne suffit pas de demander aux gens de partir. Il faut leur dire voilà là où vous devez partir. Parce que ce n'est pas évident que chacun se mette à la place de ces personnes-là. Oui, je serai inondé dans 24 heures, 48 heures. Je fais mes balichons et tout, j'attache. Mais je reste toujours dans la maison parce que où est-ce que je vais m'installer Bien, nous allons entamer la dernière partie de, cette émission en sport, euh, lutte traditionnelle. Parlons de la deuxième édition de la compétition de lutte dénommée Kokoa Mosi Yahilabewa littéralement, vaut mieux bouger que de rester inactif. Une compétition initiée par l'Association nigérienne des anciens lutteurs du Niger Objectif permettre aux meilleurs lutteurs euh, donc, de se rencontrer et d'exercer leur sport favori en dehors du championnat national qui a lieu chaque année. Les compétitions se sont déroulées du dimanche 3 au mardi 5 septembre dernier à l'arène des Jeux de Niamey. Les régions de Zender et de Maradi sont représentées par euh, un lutteur chacune. Dosso et Tawa et ont envoyé deux lutteurs chacun. Il n'y a pas de champion en tant que tel qui est recherché à la fin de cette compétition. Des combinaisons sont organisées entre les lutteurs et après chaque combat, le vainqueur et le perdant reçoivent euh, des sommes d'argent qui varient entre 60, 50 et 35 000 francs. Euh, continuez à Arimi Abakiari. Un commentaire peut-être sur cette initiative des anciens lutteurs euh, parmi lesquels se trouve Bala Haruna C'est très bien. C'est très bien. ils ont vécu euh, des moments, ils connaissent cette discipline, qu'ils aient un souci pour que euh, les arènes continuent à vivre, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi une sonnette d'alarme. La lutte euh, au Niger, euh, on a tendance à dire que c'est le sport roi. en tout cas, c'est le sport qui vient de nos traditions, vraiment, comme on dit, et qui est véritablement aimé du public je voudrais tout simplement comparer la lutte nigérienne à la lutte au Sénégal. Mais aujourd'hui, c'est deux mondes, la lutte nigérienne et la lutte au Sénégal, la lutte au Niger et la lutte au Sénégal. C'est la sonnette d'alarme qui nous dit que nous avons sacrifié 40 ans à fabriquer euh, une compétition sportive, un sport national, je dirais, mais euh, qui, qui reste à l'état de balbutiement le sport, c'est une industrie. Qui reste à l'état de balbutiement. Pourquoi, principalement euh, J'en viens. Hein. Le, sport, c'est une industrie. Tant que l'État ne voit pas cet aspect, tant que les, opérateurs économiques, les, les, personnes promoteurs de spectacles ne voient pas cette discipline comme telle, ça va rester comme ça et ça ne va rien apporter ce que Balaharuna et ses amis vont faire. Mais c'est un cri d'alarme, c'est de prendre cette euh, discipline-là et en faire un pôle économique pour notre pays. Aujourd'hui, au Sénégal, un seul combat, un lutteur peut remporter 200 millions. Autrement dit, il y a un milliard, deux milliards qui a été brassé autour. La même chose, c'est faisable. Le Niger, c'est un pays de lutte. L'État a créé au moins sept arènes, huit arènes dans notre pays qui ne sont pas, qui sont sous-exploitées, qui ne servent à rien. C'est des ânes que tu trouves là-dedans. Arimi avec le sport, c'est votre domaine de prédilection. Je nous allons donner la parole aux autres invités. Le temps file. Euh, Garé Amadou. Euh, quelle est selon vous l'importance de ces genre de rencontres euh, initiées donc euh, par ces anciens leaders? Oui, pour une fois, je suis d'accord avec Armi Abba parce que pendant tout le débat, je ne suis pas d'accord avec lui sur toute la ligne, mais là, là, je suis d'accord avec lui. vous savez, la lutte, par exemple au Sénégal, c'est même des écuries. Vous comprenez C'est des écuries avec des noms. C'est vraiment, comme il l'a dit, c'est vraiment un truc économique, c'est industriel, c'est-à-dire c'est une compétition de, de haute valeur. Mais le Niger est en train de régresser sur le domaine de la lutte rien que le truc du les, tournois du Tolak qui sont organisés, le Niger est en train de régresser. Des pays que le Niger laminait sont en train de remonter. Sur le Niger, la Gambie, etc. etc. le, Niger est pratiquement à chaque fois terrassé par le Sénégal. Alors que par le passé, c'était pas, pas le cas. Du temps d'Ambroise Sarr et consorts. N'est-ce pas? C'est vrai, y a un monde d'attention qui est porté euh, à ce Non, c'est que euh, la lutte traditionnelle au Niger, malgré la passion qu'elle suscite au niveau de la population, elle est à un stade artisanal il a raison. Quand on compare avec ce qui se passe au Sénégal, mais ça fait pitié. C'est-à-dire que les gens, c'est quand le championnat de lutte traditionnelle que les gens se réunissent. Alors que, comme il a dit, les, arènes sont laissées en jachère. Les arènes de lutte, dans tous les départements des arènes de lutte. Mais pourquoi ne pas faire des compétitions, ne pas faire en sorte que les opérateurs économiques puissent avoir des poulains, n'est-ce pas Qu'ils vont. Euh, il y, a beaucoup d'opérateurs économiques dans toutes les régions. Donc, c'est un stade euh, euh, vraiment artisanal qui fait que le sport ne peut pas se développer, en tout cas la lutte. Murtala Mamadou, oui, euh, je dirais que cette initiative euh, mérite d'être reproduite euh, à plusieurs endroits et, c'est le fait qu'elle se, multiplie va faire en sorte peut-être qu'on puisse développer des modèles économiques qui puissent faire sortir ce sport et, et surtout ces athlètes de très haut niveau de, la situation dans laquelle ils se retrouvent une fois le championnat terminé. Ils se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. pour certains, c'est l'exode, etc. Donc, si on arrivait à développer autour de ce sport des initiatives telles que celle-ci, mais en, mettant l'accent sur l'aspect économique de ce sport, ça pourrait euh, générer des revenus euh, pour les promoteurs, mais aussi et surtout pour ces athlètes qui ne seraient pas, euh, qui se retrouveraient peut-être pas à mendier. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Gara Amadou du journal La Nation, Murtala Mamadou du satirique La Griffe et Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. Présentation à Alassane Kouzi Mamadou, réalisation technique Seini Saka. Excellente soirée à tous et bon début de week-end.